forum du forum, le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum Il est 18h euh, à 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, euh, bonsoir. Vous êtes euh, toujours à l'écoute du studio Kalangou. Merci de rester en notre compagnie pour le forum de la presse à la présentation Raylet Soumana. Dans le forum de la presse, nous faisons intervenir les confrères journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite ou en ligne pour décrypter les points saillants de l'actualité de la semaine dans le respect mutuel. Au cours de ces 45 minutes, nous allons évoquer les déclarations des partis politiques euh, membres de la majorité présidentielle qui ont réagi par rapport aux journées d'action citoyenne que mène la société civile nigérienne et la réponse du berger à la bergère du collectif des organisations de la société civile qui a immédiatement réagi à la sortie de la mouvance au pouvoir. Nous aborderons aussi la question du plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2018 lancé officiellement hier au cabinet du Premier ministre. Selon le plan élaboré, 2,3 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire au Niger. Ensuite, nous parlerons de la situation qui prévaut à l'université Abdoumoumouni de Niamey avec euh, l'altercation qui a eu lieu en début de semaine entre un étudiant et un enseignant de la faculté des sciences. Le syndicat des enseignants-chercheurs demande l'exclusion définitive de l'étudiant concerné. Pour finir en sport avec le championnat de la Coupe B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA qui se déroule à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les gazelles, l'équipe nationale du Niger y participent. Pour débattre, je suis dans ce studio en compagnie de Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. El Haj Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Euh, je l'annonçais suite euh, aux journées d'action citoyenne organisées les deux, toutes les deux semaines par les organisations de la société civile nigérienne qui demandent le rejet ou la révision de la loi des finances 2018 les partis politiques euh, réunis de la mouvance au pouvoir ont rendu publique une déclaration cette semaine. Selon ces membres de la MRN, les OSC et l'opposition politique utilisent la loi des finances 2018 comme prétexte. Pour la MRN, c'est plutôt la déstabilisation du régime qui est l'objectif euh, visé. Écoutons à ce propos Abdul Kadri Tijani, membre de la coalition de la mouvance. Depuis quelque temps, nous assistons à une agitation coordonnée de l'opposition politique et d'une certaine société civile autour de thèmes qui sont autant de prétextes pour leur permettre de déstabiliser le régime et de remettre en cause les institutions issues des élections de l'année 2016. La meilleure illustration de cet état de fait réside dans son comportement relativement au code électoral et à la CENI. La loi des finances 2018 est l'autre prétexte d'une mobilisation conçue pour être ultime. Après avoir qualifié cette loi de satanique, il n'y a guère à ce jour que les plus dévergondés d'entre eux pour continuer d'user de cet argument dans leur communication. En appliquant cette directive, notre pays se met en règle vis-à-vis -vis de ses autres partenaires. Nous lançons un appel à tous nos militants et sympathisants pour qu'ils restent toujours mobilisés de façon massive. Nous vous donnons rendez-vous pour le 4 mars prochain pour une spectaculaire manifestation. À présent, je vous propose la réaction qui ne s'est pas fait attendre du collectif des organisations de la société civile avec euh, Moussa Changari d'Alternative Espace Citoyen. Certains responsables politiques feignent de ne pas comprendre que les organisations de la société civile ont partout dans le monde non seulement le droit mais aussi le devoir d'appeler à des actions citoyennes contre toute politique gouvernementale tendant à aliéner la souveraineté du pays et à mettre en péril les droits consacrés par la Constitution des responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle semblent oublier que les organisations de la société civile si elles le jugent nécessaire, ont le droit de former ouvertement une coalition avec des partis politiques autour d'objectifs communs. Exhortons les responsables des partis politiques membres de la majorité présidentielle à faire montre d'un peu de dignité et à encourager leur chef suprême à traiter de façon responsable les revendications légitimes des citoyens et des organisations de la société civile voilà, vous venez d'entendre les deux parties. Donc, je vais commencer par vous, Elhaj Suleiman de Niger Inter. Quelle lecture faites-vous de ces sorties médiatiques des partis membres de la mouvance présidentielle, mais aussi de la réponse du berger à la bergère Bon, nous sommes en démocratie et le débat, notre démocratie, dès le départ au Niger, le débat a toujours été très vif euh, et la dernière situation qui est faite, euh, donc la déclaration de, la majorité pense que euh, la société civile euh, pactise avec l'opposition. donc en réalité, je pense que la difficulté au niveau de, de la majorité MRN, c'est de considérer que puisque la société civile a décidé de manifester toutes les deux semaines, et que pour eux, j'essaie d'interpréter de, d'interpréter d'une certaine façon, à ma façon, à ma, <laughs> façon euh, que, puisque eux, ils pensent que la loi a été votée par leur majorité, donc euh, continuer à la contester serait dans une position, mettre dans une position hors la loi. Donc eux ne peuvent pas admettre cela. La preuve, ils appellent aussi leurs militants pour manifester le 4 mars prochain pour en fait aussi faire une démonstration de force. Cela veut dire quoi Puisque quand même de plus en plus, il faut admettre que la société civile, en tout cas, mobilise les citoyens à partir du moment où la loi des finances est entrée en, vigueur, donc avec ses, effets. Euh, donc maintenant, la logique de, la MRN consiste effectivement à dire que comme ils l'ont fait par, par le passé, si nous on manifeste le cadre et qu'on voit le monde qu'on a, on va démontrer qu'on a brisé le monde que et par conséquent, légitimité pour légitimité, il faut qu'on laisse gouverner. Alors là, euh, moi, je pense que nous sommes dans une situation, euh, on va droit à une impasse parce qu'effectivement, cette lutte de légitimité entre euh, la, la, la, société civile, en tout cas, qui a décidé véritablement jusqu'au bout, en tout cas, pour que forcer la main, en tout cas, au pouvoir à donc à, faire une seconde lecture, en tout cas, à revenir sur la loi des finances et aussi l'option donc du pouvoir à vouloir dire qu'il arrêté. Notre loi, elle est votée par conséquent. On doit nous laisser gouverner. Vous voyez, donc, euh, on est dans une situation, franchement, en tout cas, qui frise un peu, un peu l'impasse. Et je pense qu'il va falloir véritablement, euh, la société civile vient d'interpeller euh, donc le président de la République, parce que ça le nommer, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, il est grand temps, moi je pense, qu'il y ait une approche dialogique. Pourquoi ne pas dialoguer euh, Si tant est qu'il est possible, en tout cas, euh, d'un côté comme de l'autre, on est disposé vraiment à mettre en avant l'intérêt général. Donc, euh, en tout cas, pour une première réaction, c'est un peu cela. Je pense que la majorité est gênée par la, les manifs en, série de, la société civile et de l'opposition. Donc, pour conséquent, ils, ils mettent sur le même plateau en considérant que c'est l'opposition qui fait des manœuvres à travers la société civile. Donc, euh, c'est un peu, en tout cas, ma lecture de cette actualité. Merci, Alhaj Suleiman. À vous, M. Euh, Monsieur Arimi d'Alternative Espace Citoyen, quelle lecture faites-vous de ces sorties médiatiques ben, Merci. Euh, moi, je salue hein, la réaction des organisations de la société civile organisatrices des JAC, comme ils les appellent, des journées d'action citoyenne parce que euh, je crois qu'ils n'ont pas voulu euh, répondre mot pour mot euh, aux injonctions, je dirais, et même aux attaques de la majorité. Et je crois que c'est en cela que ils veulent que les règles démocratiques marchent. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis que ces mouvements ont commencé, il y a eu de l'évolution. Euh, dans un premier temps, c'était des interdictions de manifester. Ensuite, est dans cette interdiction-là. Voilà, mais ça va venir, moi je suis certain. C'est là que la démocratie, c'est quelque chose de bien. Euh, ils seront obligés de céder. Euh, je, je, il faut relever une fois de plus l'attitude responsable des organisations de la société civile qui, là où c'est interdit, n'ont pas encore euh, enfreindre à la loi, n'est-ce pas, ou en tout cas transgresser les décisions des décideurs, même si c'est contre ces décideurs qu'ils manifestent. Aujourd'hui, à Niamey, à Tawa, à Zender, on considère que c'est quelque chose d'acquis. C'est sorti, Dosso aussi, c'est sorti en deux semaines, chaque deux semaines. C'est une très bonne chose. Et on a aussi vu, pour celui qui est à Niamey, que le nombre de participants à ces manifestations va grandissant. N'est-ce pas Et je crois que euh, c'est ce qui a attiré l'attention de, la MRN, qui est sortie, et qui malheureusement est mal sortie. Comme le disait euh, Suleiman, ils auraient dû songer à un certain dialogue entre euh, avec les organisations de la société civile, reculer tout simplement. Parce que, oui, eux peuvent sortir le 4 mars on connaît dans quelles circonstances les marches de la MRN sont organisées. N'est-ce pas euh, euh, Avec, les... des moyens euh, colossaux dont on a besoin. Vous avez parlé tantôt de, l'aide qu'il faut apporter à 2 millions 300. De, 300 habitants du Niger et tout. On a besoin de cet argent-là pour faire autre chose que de réagir à une marche. Cela est dépassé le jour où, le temps où il faut marcher pour soutenir un président de la République, élu à 92%. N'est-ce pas Donc, acceptons de parler, acceptons. Euh, et puis, ce n'est pas une guerre de légitimité. Même si c'est une personne qui marche tous les jours, en tant que citoyen, il a droit à l'écoute. N'est-ce pas Est-ce que le problème que les gens posent sont réels ou pas N'est-ce pas et la déclaration de la société civile l'a dit, euh, les, organisations de la société civile sont libres de se coaliser, y compris avec des partis politiques, pour entreprendre des mouvements. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement le savent, n'est-ce pas Et pire, aujourd'hui, nous avons même une certaines organisations de la société civile qui se réclament du pouvoir n'est-ce pas Et qui ont l'habitude d'organiser des contre-activités des organisations qui ne sont pas du pouvoir. Donc, il ne faut pas vraiment, on n'a pas besoin, notre pays n'a pas besoin. Respectons les règles démocratiques. Tu es au pouvoir, tu as la preuve palpable que ce que tu as décidé au sein de l'hémicycle, entériné par tous les décideurs, y compris le président de la République, n'est pas voulu les gens souffrent dans leur chair et sortent toutes les deux semaines. Vous avez dit que c'était impossible un moment. Aujourd'hui, c'est clair que les gens peuvent tenir même une année, puisqu'ils ne dépensent pas visiblement de l'argent pour le faire. Ils ne communiquent même pas trop. Il suffit qu'ils décident de la date et la population répond à la randonnée. Donc, c'est réel ce sera le bol et il faut accepter vraiment de euh, percer vraiment de, l'abcès à mon avis. Merci Arimi. Donc euh, Issa Amadougou, vous êtes de la télévision Ténéré. Euh, la même question pour vous. Quelle lecture faites-vous de ces deux sorties de, de ces deux parties Merci beaucoup. pour le cas de la société civile, ils sont dans leur logique. Hein. Moi, je pense que sont, c'est bien de répondre parce qu'ils ont été attaqués. C'est normal, c'est le jeu démocratique. Mais depuis fort longtemps, moi, je suis en train de me poser des questions dans la mise en œuvre du programme de la renaissance du président de la République. Qu'est-ce qui a né le blocus, pourquoi certaines choses ne marchent pas. C'est à travers cette sortie médiatique que j'ai cru comprendre que la vraie opposition de la Renaissance se trouve au sein de la majorité. Ces gens-là ne rendent nullement aucun, que vous dire Aucunement, aucun service au président de la République. Ils ne facilitent aucune, en aucune manière à ce que le président réussisse dans son programme. Pourquoi Je vais vous répondre. Le président Issouf a fait de la remise des Nigériens au travail une priorité. Vous avez vu le, jour de leur déclaration, tous ces véhicules de l'administration, tous ces patrons de l'administration qui étaient là-bas, ils ont bloqué l'administration. Certains, la majorité d'entre eux ne sont plus retournés au bureau. Deuxièmement, organiser une marche, c'est justement pour légitimer, je veux vous dire, légitimer la sortie douteuse de certains fonds pour dire que non, nous on les a utilisés pour démontrer que Issouf n'est pas seul. Mais Youssouf n'est pas seul. n'a jamais été seul. Je suis désolé. aujourd'hui, ce que Youssouf devrait faire, le président Youssouf, il a été élu à 92%. La lutte qui devrait mettre, c'est mettre ces gens-là au travail, qui ne pensent qu'à la prébande. Utiliser les moyens de l'État à d'autres fins, pas pour soutenir le président de la République. Chercher quelque chose à atténuer quand il y a un problème, mais pas enfoncer le président de la République quand même. C'est ça que les gens pensent que soutenir un homme, mais je suis désolé. Vous ne pouvez pas utiliser une personne que vous prétendez défendre, que vous dites que je suis allié à son programme en faisant des choses comme ça. Mais pourquoi dites-vous qu'il soit en train de l'enfoncer Non, parce que ce n'est pas de ça que le président aujourd'hui a besoin. Quand il y a une partie de la population qui disent que par rapport à une décision, ils ne sont pas contents, c'est ce qu'Alaji Suleiman a dit. Il faut prioriser le dialogue mais en mettant en exergue pour les produits de première nécessité. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est la pression fiscale, parce qu'il n'y a pas de création de richesse. Et tout le monde le sait pourquoi. Parce que nous sommes dans une crise économique élargie à l'échelle planétaire. Ce n'est pas seulement le Niger. Certes, le Niger a besoin des fonds. Vous devrez créer les conditions. Pas pour enfoncer, pour venir insulter, utiliser des mots déplacés. Non, non. Trouver le mécanisme approprié pour que toutes les parties prenantes par rapport à ce bras de fer puissent converger leurs idées et trouver le juste milieu. Mais pas organiser une marche. Pourquoi organiser une marche Parce que pour dire que n'a jamais été seul. C'est pour cela, moi, j'ai dit que ces gens-là, ils ne rendent pas service au président de la République. Parce qu'il est incompréhensible à ce que tout ce que Youssouf est en train de dénoncer, c'est vous qui êtes en train de le promouvoir remettre les Nigériens à travers. y a en quelque sorte une divergence euh, au sein de cette mouvance Non, ce n'est pas une divergence que je veux montrer. La majorité c'est qu'est-ce qu'ils disent Soutenir les actions du président de la République, aider le président de la République à mettre en œuvre son programme pour sa réussite. Mais vous pensez que pendant que le président a besoin à ce que tous les Nigériens, il l'avait dit, la modernisation sociale. Où est la modernisation sociale à travers ce comportement où tous les patrons de l'administration se retrouvent dans la salle là pour faire une déclaration, contre-déclaration, alors budgétiser. C'est pour légitimer des fonds douteux. C'est-à-dire la sortie douteuse de certains fonds pour dire non, on a investi dans la moche pour dire non, non. Moi, je pense qu'il est temps que les gens prennent leurs responsabilités comme pas un jeu. Si vous décidez, il y a la morale qui appelle. Moi, je ne peux pas dire décider. Devant Dieu et devant les hommes, soutenir un homme et mettre les bâtons dans les roues pour cet homme qui est en train de se battre. Or que chaque matin, je me bombe à patron pour dire que non, je suis avec lui. Je pense que ce que la majorité vient de faire, c'est quelle démonstration de force. Merci Issa. Donc, non, euh, soyons sérieux quand même. <laughs> Elaïs Suleiman, euh, pour le collectif des organisations de la société civile, c'est la preuve que les manifestations populaires répétitives dérangent au plus haut point les autorités en place. Que dites-vous de ces affirmations euh, de la société civile euh, ben, vous savez, la question euh, essentielle, c'est depuis la, le processus d'absence de la, de, la, loi, euh, les positions ont été. Il n'y a pas eu donc de, de, de, dialogue du tout. Il y a eu semblant de dialogue, mais au finish, après la leçon de loi, en tout cas, on s'est rendu compte que véritablement, euh, les gens ne se sont pas entendus. Maintenant, il me paraît évident qu'il euh, n'y a aucun régime qui serait satisfait, en tout cas, d'une situation telle que chaque deux semaines, euh, il y a une, manif, même si c'est, comme disait l'autre, une poignée d'individus qui se réunissent. Si ça se fait, donc chaque, chaque mois, deux fois, chaque deux semaines, vous voyez, c'est très gênant. Je pense que véritablement, euh, la gêne, elle est réelle. Et euh, comme je, disais tantôt, peut-être que après euh, la manif du, 4 mars, ils vont faire le bilan, voir maintenant que faire. Faut-il donc interdire les, manifs Donc, véritablement, il n'y a aucun doute que les manifs gênent. maintenant, le vrai débat, c'est que aujourd'hui, la loi est, elle est en vigueur. Et ça, j'ai dit, le défi que les uns et les autres se, se, se donnent, parce qu'encore une fois, je dis, euh, de tous les côtés, il y a la prétention. La prétention pour les gouvernants, donc de concevoir une loi, entre guillemets, donc euh, en tout cas, qui fait de la pression fiscale une loi donc euh, impopulaire, et, penser effectivement qu'ils peuvent donc la mettre en œuvre, ça, c'est une prétention. Et ils pensent que, véritablement, euh, puisque le président a été élu, donc ils ont la légitimité, ils ont donc d'un point de vue donc euh, des normes démocratiques euh, entre guillemets, en tout cas sous le, le, principe effectivement, ils ont fait ce qui doit être fait, à savoir passer par l'Assemblée qui a voté la loi. Et l'autre côté, côté société civile, effectivement, c'est une prétention de penser que nous sommes plus donc euh, légitimes au nom du peuple, en tout cas pour donc euh, euh, ramener ces gens, en tout cas, à la raison, à savoir donc faire soit une seconde lecture de la loi, ou bien en tout cas euh, la revoir pour vraiment qu'elle soit un peu à la portée donc à la compréhension ou bien à la portée du peuple. Bref, je suis en train de dire que la situation telle que s'il n'y a pas de dialogue, on va droit vraiment à une impasse. Et l'impasse serait vraiment que si ça continue comme ça, vous voyez, en réalité, euh, euh, cela veut dire que euh, il va avoir en tout cas une situation euh, qui, qui, va être créée où bon, franchement, tout est possible. Donc, je pense que véritablement, pendant que temps, il est important en tout cas que les plus hautes autorités considèrent que l'intérêt général commande en tout cas à faire des sacrifices. Et ces sacrifices, c'est vraiment Aujourd'hui, par exemple, euh, moi je pense que si, si, si, aujourd'hui par exemple le, le, gouvernement appelle la société civile à, au dialogue, si effectivement de l'autre côté ils ne viennent pas, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, on saura, les citoyens sauront véritablement quelle est l'intention justement de la société civile. Bref, donc je pense que, en tout cas, je, tiens, je maintiens moi ma, ma, ma position, c'est que la situation exige en tout cas à se concevoir autour d'une table en tout cas pour dialoguer. Merci. Arimi de Alternative. Non, mais moi je, pense que bon, impasse, euh, euh, c'est peut-être ce qui est voulu, mais vraiment euh, c'était si simple. Depuis que cette loi-là a été soumise à l'Assemblée, d'aucuns ont appelé à la révision n'est-ce pas, à reconsidérer que la situation de pauvreté qui prévaut dans le pays euh, ne permet pas une telle pression euh, fiscale, euh, mais le gouvernement a voulu forcer. Mais devant ce qui est en train de se passer, un régime démocratique doit être sensible et ce n'est pas une faiblesse de dire que devant l'exigence de la population, euh, je recule n'est-ce pas Je soumets ça à une seconde lecture à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas euh, Par exemple, les organisations de la société civile font aussi des propositions. Ils disent, par exemple, il y a des cadeaux euh, en termes de fiscalité qui ont été accordés à des personnes ou à des entreprises qui n'en ont pas besoin comparativement à la population n'est-ce pas On a vu quand les transporteurs ont euh, euh, établi leur nouveau prix, n'est-ce pas, le gouvernement même était obligé de leur dire de diminuer. Or, ils s'étaient très bien fondés. Euh, s'ils doivent payer 19%, machin, les calculs qu'ils ont faits, c'est y compris les charges subséquentes à ces, à ces nouvelles exigences-là. Donc, de la même manière, je crois qu'il y a moyen de reculer de dire que vraiment eh, on remet à une autre fois. Peut-être qu'il y aura un moment où les Nigériens se sentiront mieux à l'aise et qu'on peut exercer une telle pression fiscale. Moi, j'ai voyagé, euh, je suis revenu avant-hier de l'intérieur du pays. En allant, il y avait énormément de places dans le bus. Mm-hmm. De retour, j'ai constaté aussi qu'il y avait suffisamment de places. Généralement, les bus au Niger sont serrés pour des personnes grandes comme moi, mais j'étais à l'aise à l'aller comme au retour. <laughs> Autrement dit, les gens ça, ressentent déjà des difficultés à se déplacer. Ok, donc c'est la même chose sur tous les plans. Sur le plan de l'électricité, ça c'est ce qui est le plus sensible. Tout le monde l'a déjà vu et l'a déjà vécu, n'est-ce pas C'est la même chose pour l'eau, pour pour tout ce sur quoi ils ont exercé, c'est invivable. Il faut qu'ils reculent, sinon la population, plus elle va ressentir, plus elle sera dans la rue, et la rue, ça peut mm, évidemment aboutir à tout ce qu'on ne veut pas. Ça peut dégénérer. Voilà. Donc, euh, Issa Madougou, que dites-vous de ce que dit les OSC Écoutez, moi, je pense que la solution est très simple. Hein. parce qu'il faut que les gens essaye de comprendre s'il y a l'écoute, la capacité d'écouter l'autre quand il parle. Moi, je pense que ça, c'est très nécessaire dans le dialogue. Et surtout dans un contexte très particulier. Quand la société civile organise ces journées d'action citoyenne, ils n'ont pas dit qu'ils rejettent en bloc la loi des finances, mais certaines mesures qui, le citoyen ordinaire, nous autres, on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu le cas des transporteurs tout à l'heure, Arimi a fait le cas. Le gouvernement est sorti, ils les ont convoqués pour dire de revenir à leur prix. Parce que ce n'est pas comme ça, ça doit s'effectuer. On ne peut pas augmenter les prix sans l'avis du gouvernement. Donc, ce qui démontre que le gouvernement a la capacité aujourd'hui d'écouter son peuple. Il, suffit seulement d'écouter son peuple. Allez, je l'ai dit, c'est le dialogue. Alors, il y a un deuxième problème. Quand la MRN sort pour dire que non, c'est un combat politique, mais tout à l'heure, Allah a donné l'exemple. Vous ne les avez pas appelés au dialogue. Au moins, si vous avez tenté, ils ne sont pas venus. Là, on peut dire non, ils ne sont pas en train de lutter pour le peuple. Donc, c'est un combat caché. Mais chaque fois, quand ça sort, euh, dès qu'il y a une contestation, chaque fois, c'est que la majorité nous chante. Cette majorité présidentielle. Parce que moi, j'ai dit, je le, répète, ces gens, ça ne rendent pas service au président Issoufou. C'est ça que. Non, il y a des choses que les gens ne veulent pas dire mais il faut le dire, c'est qu'au Niger, en fait, le véritable problème du Niger aujourd'hui, que ce soit la majorité MRN ou bien APR qui sont au pouvoir, que ce soit ceux-là qui sont à l'opposition, le véritable problème du Niger, c'est la classe politique. Eux tous, ils sont les mêmes. Même si les autres, là, ils vont revenir au pouvoir, ils vont faire pire. On prend en, en otage le président entre le marteau et l'enclume. Il serait incapable de prendre même des décisions. Mais tout le monde sait que le président a la volonté de réduire le gouvernement. Mais ces gens-là qui vont organiser cette marche-là, qui pour se maintenir. C'est pour se maintenir. Euh, hein. <laughs> Ils ont tellement conseillé le président de la République qu'il ne peut pas le faire. Il suffit, on peut faire des sacrifices. Mais ces gens-là ne sont pas prêts à ces sacrifices-là. <laughs> Même aujourd'hui, si le président essaye de prendre, vous allez voir que les déclarations vont sortir à chaque minute nous, on quitte la, mouvance présidentielle. Parce que c'est le jeu d'intérêt. C'est pour cela que. oui, c'est pour cela que moi, j'ai dit qu'il ne rendait pas service au président. Prenons le cas du Tchad. Moi, brièvement. Oui, brièvement. Prenons le cas du Tchad. Quand Idriss Déby a maté la marche là, je suis entièrement d'accord. Parce que pourquoi Au moins, lui, il a, voulu, il a montré, la, il manifesté la volonté. Il a réduit drastiquement le budget de la présidence, le train de vie de l'État. Mais les gens sortent parce que là-bas, c'est là-bas qu'il y a le mercenariat politique. Là-bas, au Tchad. Mais ici, il n'y a même pas un semblant. Au moins là-bas au Tchad, on a vu la volonté du gouvernement qui a appelé tous les acteurs pour dire, OK, bon, avant d'arriver à votre niveau, nous, on va commencer par nous-mêmes. ce débit a réduit même ces voyages, si ce n'est pas des voyages, par exemple, le cas sécuritaire où ils étaient ici au, Niger, et c'était extrêmement important parce qu'il y a des projets qu'il faut mettre en œuvre mhm. qui peuvent soulager aussi ces efforts de développement. Il est venu pour être présent. Il a réduit. Beaucoup de conseillers en C'est pour cela, moi, je pense que la manière de faire des choses, il faut vraiment réfléchir longtemps. Quand vous allez parler il faut longuement réfléchir sur les conséquences. Merci beaucoup. Donc, autre aspect de ce forum, c'est le lancement hier au cabinet du Premier ministre du plan de réponse humanitaire au titre de l'année 2018. Pour rappel, les experts définissent le plan de réponse humanitaire comme un programme d'intervention que les acteurs humanitaires qui appuient le Niger prépare chaque année en vue d'apporter une assistance aux populations en situation de vulnérabilité en général. Il regroupe plusieurs domaines dont la sécurité, la sécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les inondations et les mouvements de population. Selon le plan élaboré, 2,3 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire en 2018. El Haï Suleiman, journaliste à euh, Niger Inter, que vous inspirent ces chiffres euh, ben, euh, je pense que ce qui vient de, se passer, c'est vraiment devenu assez commode, c'est un truc assez récurrent chaque année, et je pense qu'il faut saluer l'initiative euh, de la coordination humanitaire et, le Premier ministre, en tout cas, qui, à temps réel, euh, réunit les partenaires techniques et, financiers. Et donc, pour faire la situation, l'état du lieu, on a identifié donc euh, le nombre de personnes qui ont besoin d'être assistées. Et ils ont, comme bémol, dit que aussi ils saluent l'effort de la campagne agricole, ce que le gouvernement a fait en tout cas pour booster la production agricole. Bref, je pense que c'est une très bonne chose parce que pour, il y a un passé récent où le gouvernement est gêné de dire que voilà, en fait, ils ont enfin et même une gestion d'une crise, euh, euh, en tout cas alimentaire, une famine qui a fait problème dans ce pays. Euh, je pense que c'est bien, en tout cas, de faire l'état du lieu, mais cela aussi, en tant que citoyen, nous amène à poser le vrai débat, à savoir que, franchement, et, il me paraît urgent, en tout cas, que euh, la gouvernance euh, vraiment s'améliore, vraiment qu'on ne parle pas de cette situation parce que vous voyez, euh, lorsque un, pays, en tout cas, qui regorge de, ressources comme le, comme le, nôtre, en tout cas, souvent, chaque année, il faut demander aux jeunes d'assister alimentairement les gens. Vous voyez, et je parce que de ce point de vue-là, moi, de tout le monde aussi nous ne pouvons pas, en tout cas, frapper la poitrine de que nous sommes un État souverain lorsque vraiment nous avons ces défis, vraiment, aujourd'hui, ne pas pouvoir assurer vraiment le minimum vital, euh, je veux dire que la, question alimentaire, ça montre vraiment combien nous sommes franchement très très euh, loin par rapport aux autres nations du monde et il faut faire attention. Merci El Haj Suleiman. Donc, euh, les fonds nécessaires pour les opérations sont estimés à 338 millions de dollars, soit 169 milliards de francs CFA, dont les 48% seront destinés à la région de DIFA. Euh, donc Arimi, journaliste Alternative euh, Espace, à la radio Alternative, que pensez-vous de ces fonds Pensez-vous que ces fonds pourront être euh, regroupés pour assister ces personnes Écoutez, moi j'ai un petit problème avec le nombre. Euh, de personnes à assister, 2 300 000. J'ai tout comme l'impression, je souhaite que ça soit le, chiffre, le nombre exact, mais j'ai comme l'impression que ce nombre a été euh, revu à la baisse. Parce qu'au vu de la population de DIFA qui, dans son écrasante majorité, euh, est nécessiteuse aujourd'hui, parce que euh, les réfugiés étant là, les déplacés euh, internes étant là, euh, les conditions de, d'exploitation des champs et des jardins n'étant pas réunies, la population est réellement en extrême difficulté. chose euh, nouvelle, il y a des nouvelles formes de mendicité que j'ai vues il y a seulement trois ou quatre jours euh, dans cette région de, Difa. De quel genre euh, Genre, une fille qui se déplace avec ses beignets et qui est suivie par 15, 20 euh, talibés pour que vous achetiez et que vous, le, vous leur distribuiez. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. je suppose que vraiment c'est mûrement réfléchi, que ces chiffres-là sont inextensos et que euh, les moyens qui sont prévus vont permettre vraiment de prendre en charge. Euh, aussi, euh, c'est-à-dire on ne doit pas, on est normalement habitué au Niger. Depuis la crise alimentaire est pratiquement devenue structurelle chez nous. Donc on doit pouvoir tenir compte. Un, le gouvernement, moi je pense que c'est déjà un peu tard, vaut mieux tard que jamais évidemment. Euh, on est en mi-février, n'est-ce pas La campagne agricole est finie euh, depuis euh, octobre, sinon mhm. depuis septembre. On aurait pu éviter certaines choses déjà. Il y a deux semaines, vous diffusiez le cas des femmes qui, de qui étaient en train de fouiller dans les termitières n'est-ce pas Une autre télévision de la place a diffusé une population d'une région qui a effectué un déplacement massif vers Niamey. J'ai vu des ressortissants de cette région-là qui ont fait, ça fait mal. Moi, je suis de Difa et j'ai mal quand euh, il y a la famine chez moi ou quand des gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Mais c'est des réalités auxquelles le gouvernement doit pouvoir faire face, mais aussi des réalités qu'on doit pouvoir euh, analyser vraiment froidement pour trouver les solutions idoines. Euh, malheureusement, on ne veut pas, euh, sous le régime Tanja, l'ancienne, l'ami n'a pas nommé, mais c'était pratiquement un secret euh, qu'on ne veut pas divulguer, les gens avaient honte, mais on a tout comme l'impression que ça se poursuit aujourd'hui aussi de la même manière. Or, c'est d'éviter le leitmotiv, depuis que le président Issoufou est venu au pouvoir, c'est le troisième. Et chaque année, ça nous revient à la figure que vraiment, ça n'a pas marché. Mhm. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi on a encore faim Là, il y a deux semaines, nous discutions avec euh, un de nos confrères ici même qui dit que non, c'est un leurre de croire qu'au Niger, on peut éradiquer la faim. Mais c'est quelle honte donc moi, donc sincèrement, je pense qu'il y a moyen. Oui, 140 euh, millions de, milliards de francs CFA, c'est gros, c'est pratiquement euh, le dixième de notre budget euh, national. Si cela peut être consacré, utilisé pour que ça parvienne aux nécessités, parce que ça aussi, c'est un autre challenge que euh, le président Tangier en son temps l'avait posé. Mhm. Le président Issoufou doit en faire un cheval de bataille. Il ne sert à rien de dire qu'il y a eu 300 millions de, dollars investis alors que 50 ne sont pas parvenus aux concernés. Donc euh, moi, c'est de cela qu'il s'agit. Mais vraiment, on doit réfléchir dans ce pays pour mettre fin à cela. Il y a moyen. Nous avons 1 267 kilomètres carrés, n'est-ce pas Nous avons des cours d'eau, nous avons des nappes euh, fossiles. Il y a moyen. C'est seulement que le budget que nous contestons accorde très peu de place à cette lutte qui est la nôtre. Mhm. Les autres, on ne doit pas s'inviter dans des luttes qui ne sont pas nôtres. Merci Arimi Samadougou de la RTT. Donc, euh, on dit qu'environ 100 et 1 800 personnes euh, seront ciblées, soit 75% des personnes dans le besoin. Selon vous, euh, est-ce que cela veut dire que ces 25 euh, autres personnes ne bénéficieront pas de ces aides <laughs> Écoutez-moi, j'ai une autre lecture de la situation. Parce que on appelle les gens, on dit qu'on a faim. D'abord, moi, je veux faire un premier constat. Ça fait sept ans que l'initiative troisième est en train d'être mise en œuvre. Et l'initiative troisième, c'est pour trouver des alternatives afin de contrecarrer les aléas climatiques contre les cultures saisonnières et pluviales parce qu'on sait qu'on n'a pas la maîtrise du climat. La pluviométrie, personne ne peut la maîtriser. Elle peut être bonne, elle peut être propice pour le développement de cultures, tout comme elle peut être agent causal du désagrément. Donc, ça fait sept ans qu'on est en train de mettre en œuvre cela. Il fallait mettre des mécanismes pour occuper les gens, pour développer d'autres types d'agriculture. Ça fait sept ans encore, sept ans après, on réunit ces mêmes gens. On dit qu'il y a des Nigériens qui ont faim. Moi, c'est la somme que j'ai. Le nombre, c'est possible parce que les gens sont pas travaillés. Les gens sont passés tout leur temps à faire des missions, à faire des ateliers, or que c'est le cycle que le président a dit qu'il veut faire le cycle infernal de, crise alimentaire qu'il fallait finir avec. Quand parfois il faut être, euh, il faut Moi, c'est pour ça que j'attaque ceux qui sont euh, je, mets en exergue leurs responsabilités, ceux qui sont chargés de mettre en, œuvre ces politiques. Quand quelqu'un propose, il, a est un candidat qu'il devient président de la République, ce n'est pas forcément lui qui va se retrouver sur le terrain pour travailler. Il y a des gens à qui il confie la mission. Les techniciens. Oui, mais ces techniciens-là ont échoué. Aujourd'hui, tout est honté ils n'ont pas honte de s'asseoir devant ses partenaires pour dire que yeah. C'est comme si on est en train de dire, moi je pense que le président doit prendre ses responsabilités, les dégager tous, chercher d'autres Nigériens capables de faire, parce que c'est lui compte qui doit rendre, c'est lui seul qui doit rendre compte. Parce que ces gens-là, ou l'Indien, dès qu'ils sont plus au pouvoir, ils finissent ses deux mandats. Vous allez les voir dans les autres formations politiques. C'est comme ça. Maintenant, il y a un autre point qu'il faut essayer d'être extrêmement vigilant ses partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, ils sont, être, ils sont en train d'être découverts. Vous avez, vous avez vu le cas des humanitaires de, en Haïti, le scandale Il ne faut pas que nous rentrons dans leur jeu. À ce qu'ils commandent, ils ont dit 2 millions et quelques de personnes. 2,3. Et, et l'argent estimé, c'est combien 3 millions. De combien De dollars oui. De dollars oui. Pour moins de 5 millions. Non, soyons sérieux. 300 millions de dollars, c'est pas une petite somme. Et on dit que c'est la région de Difa qui est prioritaire. 48%. 48% de cette somme. Ça fait combien d'années depuis le déclenchement de la guerre, de l'insécurité au niveau de Difa que ces ONG qui sont au nombre d'une centaine qu'on ne les sait pas parce que tout le monde espère, ils sont en train d'investir. Moi, je, je l'ai écouté, je l'ai pris. C'est un langage d'un responsable d'un projet international qui dit que l'argent qui a été investi à DIFA pour dire qu'il a tenu la crise humanitaire, il a fait ses calculs devant nous, on était plusieurs Nigériens. Il a dit que cet argent aurait pu développer le Niger. Mais quand il rentre à DIFA, ça lui fait mal. Donc, ce qui, il dit, c'est comme si les Nigériens même sont complices de cette situation. Il y a des gens qui viennent ici, ils ont leur projet, les Nigériens, on vient, on s'assoit sur une table, on a besoin de ça. Où vont ces agents Je vous assure, les 300 millions là, si c'était bien géré, si ça allait être bien géré, si ce n'est pas de la prébande entretenu par des fonctionnaires internationaux, moi je pense que ça aurait pu, tout le Niger, hein, même la zone de Tilaberi où il n'y avait pas eu de culture parce qu'ils étaient en état d'urgence, les gens n'ont pas pu cultiver. ça, pourrait être. Euh, non, c'est pour finir. C'est peut-être là qu'il faut faire le oh, euh, Oui, Voilà, c'est là-bas. pour finir, Rahila, moi, je pense que il y a de la responsabilité de chaque Nigérien. Parce que on ne peut pas combattre la mendicité de la rue tant que nous, on a notre sommet, on a des gens à qui on a confié des missions, qui sont incapables de faire leur et de remplir leur cahier de charge et qui s'adonnent à la mendicité internationale. Soyons sérieux. Nous avons un honneur à défendre, nous avons une dignité à défendre pour ce pays. Travaillons sur ce pays. Nous avons que ce Niger. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Merci Issa. Donc nous allons passer rapidement à un sport avec les Gazelles du Niger, euh, équipe nationale de football d'âme qui participe à la compétition de l'Union des fédérations ouest africaines de football débutée le 14 février à Abidjan en Côte d'Ivoire. Elles ont perdu le même jour leur premier match face aux étalons du Burkina Faso par 5 buts à 1. Aujourd'hui, elles seront face à l'équipe ghanéenne. Euh, Arimi, journaliste à la radio alternative, quel commentaire faites-vous par rapport aux performances de notre bien d'abord de savoir euh, l'équipe féminine du Burkina, comment on les appelle, euh, les féminines des étalons, c'est quoi l'ami Ok. Ceci <laughs> étant, on a perdu 5-1. Vous savez, 5-1, oui. Euh, aujourd'hui, en ce moment, normalement, le deuxième match ah, euh, vient de finir, mais je n'ai pas le résultat encore. Euh, on prend, c'est-à-dire c'est la charrue avant les bœufs. Vous avez vu combien de Nigériennes jouaient au foot, n'est-ce pas Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de travailler ça à la base. Malheureusement, même pour les garçons, là où c'est développé ailleurs, nous ne l'avons pas fait. Pour les filles, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux. il faut qu'on concentre nos forces, qu'on fasse un choix stratégique pour développer notre football. Dispose-t-elle d'une quelconque chance pour la suite de la compétition Non, bien sûr, non. 5-0, 5-1 dans le premier <laughs> match. Et le Ghana, qui est quand même champion euh, championne euh, continentale à un certain moment. Et ça, de la, RTT, euh, selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer à tout hein, Il faut vraiment la formation à la base, il faut mettre les moyens conséquents. Moi, j'ai vu, je ne sais pas s'il y a le tournoi des, jeunes filles au niveau d'Olenga qu'on organise une dame Vraiment, là-bas, c'est une pépinière. C'est une pépinière. On peut trouver vraiment de la qualité pour mettre en place une équipe nationale. Voilà, c'est ici que se referme euh, le forum de la presse euh, d'aujourd'hui. Nous étions avec euh, les confrères Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, Elhaj Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Rendez-vous demain et dimanche à partir de 17h15 pour le forum en Hausa et Zarma sur la maladie du Nouma au Niger. Merci et au revoir. Thank you.